fada da fatan mun tarda ku lafiya duka inda wannan shirin zai tarda ku. A fadar mu ta zan mu gayyaci ɗalibai 'yan makaranta da mushushukansu mu hiran tout ce qu'ils organisent comme activité culturelle et sportive. Bon, c'est devenu une tradition aujourd'hui dans les écoles. Après Composition Kefari, acheter des soirées culturelles, quelques journée culturelle Et les écoles rivalisent avec leurs programmes et leurs artistes invités, danse, karaoké, défilé de mode et plein d'autres activités. Mounasoum sans su une soirée culturelle qui me yasa ake shirya su kuma cikin wannan shirin vous mettez l'accent sur quoi koko une ce promotion qui menene kuke yi ga mu a cikin hilin da ke offre le CS Kwara Kano bon c'est symbole de la mort tragique de deux élèves in CS ABM da suka mutu cikin wannan wasan motocin da ake ce ma rodeo yau a wannan fadar muna tare da monsieur Kalilu Kalasi Abdoulaye il est enseignant au CS ABM monsieur ina kwana voilà madame ça va ça va bien Mohamed Abdou, euh, sous-section lycée au collège de Niamey. Oui, ça va Mohamed Ça va, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Awana ah, Fader Monatar Mohamed Awal, ah, il est SGA sur Escoara Kanou. Oui. Ça va Ça va très bien. Il y a sur Escoara Kanou. Ça va, alhamdoulilah. Super. Oui. Hmm, on a le plaisir de recevoir le censeur, monsieur, censeur au CSABM. Dans cette fada culturelle, nous aurons bien sûr de la musique et la chronique de la fada. Olivier, la chronique aujourd'hui, elle va nous parler de quoi Ravi, ce soir, nous allons parler du rôle que peuvent jouer les parents, nos parents, dans l'éducation des jeunes, à l'école et en dehors de l'école. Ah ouais Ça c'est super intéressant Très Merci, à tout à l'heure Olivier. Top, c'est parti. Soirée culturelle, l'un des plus grands rendez-vous qu'on attend pendant des mois. de composition. Notre reporter Frida Maman, de Wasu et Makaranta, il nous parle ici de leur activité culturelle dans les établissements respectifs. To shi soirée culturelle sportive kan yanzu in za a yi sport ana iya a samu élève kamar yanda ake EPS, tun nan ana iya a yi note mutum wanda yake wanda yake da kuzari wajen su vitesse endurance wajen su so wane ne wane ne dukkan su dai wani concours da za a yi ya ta yi representant makaranta. En d'autres termes pour divertir les élèves ou un peu s'amuser après les compositions, pour juste se divertir, s'amuser quoi. Ça apporte du bien eto eh shi in journal muna muna tsara mu su su sketch su su poem da wani bi hawa eh, À propos des journées culturelles et de l'anniversaire de l'école, secondaire, ça permet aux élèves de se divertir, d'oublier un peu l'étude, de libérer la tête parce que l'étude, ça englobe l'élève et puis l'élève n'a pas le temps de se divertir et cet temps nous permet d'être ensemble, entre amis. Afkult, Mohamed, explique-nous, c'est quoi une soirée euh, culturelle Donc, euh, tout d'abord, euh, je remercie le studio Kalangu et de nous avoir euh, donné cette opportunité mhm. et pour pouvoir euh, un peu échanger sur nos différentes euh, activités culturelles et sportives. Bon, mhm. eh, Karatu, à peu près jusqu'à 9 mois de Karatu. 9 mois, il y a 9 mois, il y a composition de donc ka euh, on se dit que eh, muna cewa in mun yi karatu da yawa ya kamata mu ma a bamu lokacin da zamu jinjina ma mu ba dan dan mu shakata don saboda shi ma ne sexuality psychology ma da kanta cikin lakkololi da duka akwai member da biro akwai wa'anda lakkol akwai en lakkol wa'anda ya kamata su ne su kula da wannan abubuwan na na me ake cewa activité culturelle et mm, sportive donc in muna yin shi wannan activité culturelle muna yin shi dan kanmu ya dan kanmu ya huta da aikin da muka yi cikin class muna yin shi kuma wata rana don mu samu eh, kamar mu eh, de faire la promotion dans un premier temps de notre eh, de notre culture donc euh, c'est okay. juste un peu ça l'objet des différentes activités culturelles. Mamadou, tu es SGA au CS Certes, c'est vrai, journée culturelle, wanda. yake sa apporte du bien euh, aux élèves parce que yanzu in an yi shi mutane sun zo kama yanda aka ce za a yi su karawake su sketch su wani ne wani ne don kun ga ya elev eh, zai zo ya shakata kuma zai ji daɗi saboda karatun da yi ko da yana da wani dan susi a kan karatun da zai to yanzu saboda wannan journal cultural da aka yi organize zai samu abin ya dan sabka mishi da da souci sikin ok to ai a le fadar de tare monsieur kalilu ouais euh, mademoiselle Ravi qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces soirées là Bon, ces soirées ou bien ces journées culturelles, mhm. c'est une façon de se déstresser. C'est aussi une façon aux élèves de contribuer à la culture nigérienne. Contribuer à la culture nigérienne, mais aussi permettre de détecter les talents sur le plan sportif. Parce que quand on fait ces activités-là, ce n'est pas seulement pour se divertir, pour se jouer, non, non. Parce que mhm. les gens ont une image un peu stéréotype par rapport aux journées culturelles et sportives que les enfants organisent. Mais au-delà de l'aspect distractif, l'objectif visé, c'est aussi de, de déceler les talents du point de vue culturel que du point de vue sportif. Par exemple, au niveau des sports, ils peuvent faire du traditionnel, ils peuvent faire du langa, ils peuvent faire du sport, et de, de, jeudi du sport, ils peuvent faire du foot. Maintenant, dans les journées culturelles aussi, il arrive qu'on détecte des gens qui peuvent faire du karaoké. Il y a ceux qui font du karaoké et ceux qui font aussi des sketchs. Donc, après, on peut <laughs> détecter les talents là. Malheureusement, au Niger, en fait, on ne sait pas les écoles de, cinéma. Bah, mais suivi quoi. Bah, on, bah, si on arrive à détecter les talents, très malheureusement, l'école n'oriente pas les enfants vers ces activités porteuses yara wani ne ke taimaka muku collaborer avec euh, l'école ko ko dai ku ne kawai kuke debure kuna soirée ku Mohamed eh, eh, c'est-à-dire à, hmm? donc à, l'USN il y a ce qu'on appelle les cotisations syndicales okay. yara duk shekaran an sa wanda ya kamata eh, su taimaka musu cikin karatunsu hmm. parce que yan lakwal akwai sindika sindika kin nan tana amshe 20-20 wurin kowa shi ne ake cewa cotisation syndicale et c'est reconnu par les textes et les principes eh, de USL Donc chaque mois bah, normalement c'est chaque trois mois c'est par c'est ah, par trimestre mais eh. bon maintenant c'est appliqué si l'élève vous donne 100 francs donc c'est pour toute l'année il y a aussi le frais du COGES dans la partie du COGES que nos parents payent les 2000 2000 il y a une partie au niveau du COGES, on, donne pour faire le show. On dit hmm. rubrique euh, activité culturelle. Ça, c'est au niveau des COGES. Les professeurs connaissent aussi les proviseurs. Comment on a sponsor Je me souviens eh, bien. Ouais, je me souviens. Mais ça donne donne pas ça maintenant. Donne pas maintenant. Ah avant, on, arrivait à capter des petits trucs. Maintenant, on a Monsieur le censeur avec nous. On a le censeur du CES ABM. Monsieur Tahir Moussa. ABM. Qu'est-ce que l'école apporte quand il y a une activité culturelle comme ça qu'ils organisent vous savez, euh, nous, nous sommes comme les parents d'élèves. Donc, quand les élèves nous approchent par rapport à des activités culturelles, <coughs> Alors, nous allons nous poser la question qu'est-ce qu'ils vont organiser Est-ce vous voyez Ces activités culturelles, peut-être nous n'avons pas les mêmes approches. Pour nous, nous préférons que ça soit quelque chose d'original donc au niveau de l'école. Est-ce vous voyez Au niveau de l'école, pour que nous puissions voir les inspirations voilà c'est l'école doit avoir une politique par rapport à cela donc nous ce que nous nous envisageons pour pouvoir les aider pourquoi nous les aidons d'ailleurs même c'est pour qu'ils puissent sortir ces talents là comme le professeur l'a dit et quelque chose d'original par rapport au pays à la culture nigérienne yanzu dai kun sansar irin apor kin da suke kawo irin taimakon da suke kama wa'annan ɗaliban lokacin da su yi soirée culturelle kin su kenan ba su kaɗai ake bari ba sai su yi irin abubuwan da suke so kada kuma ce kun san wannan shirin namu kuna iya bada ra'ayinku bisa kan shi a bisa kan lambar ta WhatsApp 80 06 88 C'est aussi la fête euh, sur euh, tout ça, la fada, un tour en musique avec Feel This Moment de Christina Aguilera et Pitbull. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, <laughs> y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh I just wanna feel. just wanna feel this moment. This worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita. Dale, que la cosa está rica. the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. One day, while my light is glowing. genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we could travel the world and I can give you and all you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, one retour à la fada ga nan zamani a kohon sai squara kanu nan ga hilin da Akin rodeo to tare da wanda muka ta notamment monsieur Kalilou. Il est professeur de français au CES ABM. Nous sommes avec Mohamed. Mohamed, il est AFCULT. <laughs> Nous sommes avec le ASGA du CES Kwarakano, Mamadou Awal. Oui, oui. Également le censeur euh, Monsieur Taïrou. Aujourd'hui, nous parlons de tout ce que les élèves organisent comme activités culturelles euh, et sportives. an ƙare composition ta fari abubuwan da suke shirya duk irin shirye-shiryen su da wasannin da suke hira shi muke nan ganin yau musamman yasa suke wannan wasannin kuma wani irin message ne suke bada cikin wannan wasannin nasu in suna nan ganin su bon venons à la question des messages on a effleuré un peu cette question yanzu muna so mu san sho ne kawai ko akwai manufar da akwai abubuwan da ake samu cikin wa'annan wasannin naku kamar wata faɗakarwa ko wata tematik da take interesan kowa da kowa SJA ah, Muhammad Alugamun don sai soirée la vous aborder des ko ko dai ne kadai ah ba show ne kadai mm. parce que parce yanzu mun yi organizan shi ya da diskur wanda ke par exemple provisor proviseur ko kuma le censeur na iya zuwa ya zo ya yi diskur ta shi kuma diskur kinan ne riyan dort ke kamar yana fadarkarwa ne kama yana ba da conseil ga ga eh, ga ɗaliban makaranta shi ne wannan kuma kuma ba wai ba shu bane kawai don ka ilfoke eh, yara su zo su ma su ji su ji daɗin abin don saboda ko faɗakarwar nan da za a yi za ta sa musu za ta jayo hankalin su ko da shi professor kin in ya faɗakarwa ne biskan karatu za ta jayo hankalin yalafkin su yi su yi karatu. ok monsieur Khalil zan dawo gare ku par rapport aux thématiques que ces jeunes abordent comment vous trouvez la pertinence des messages qu'il véhicule lors de ces soirées euh, et journées culturelles Bon, c'est des thèmes que, de mon point de vue, je trouve euh, appropriés parce que c'est des thèmes qui sont choisis toujours en fonction du contexte. Quand je vous prends le cas du, de CES SABM que je connais le mieux, l'année dernière, quand ils avaient organisé leur journée culturelle, ils avaient quelle contribution de l'élève euh, face aux contribution de l'élève nigérien face à la culture étrangère. Donc vous voyez déjà une certaine prise de conscience citoyenne qui est là, qui leur permet d'abord de, faire, de, prendre conscience de leur propre culture et de comprendre que ces cultures-là ne peuvent pas se développer tant qu'il y a une influence étrangère. Donc c'est de se voir dans quelle mesure ces élèves-là peuvent promouvoir leur culture pour qu'elle ne disparaisse pas. Parce qu'aujourd'hui, la culture mondiale est dominée fondamentalement par euh, celle occidentale. Donc je pense que c'est des thèmes qui sont minutieusement choisis et qui cadrent aussi avec les préoccupations qu'on peut trouver ici et là. Quoi. Ah, Mohamed Af, culte, section lycée et collège. Yenzo, bon, avant, franchement, moi, je peux pas te dire que je me rappelle des thèmes. Mais maintenant, il y a des thèmes qui sont abordés, il y a des thèmes qui sont débattus lors de ces rencontres culturelles. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette euh, innovation Avant de la journée culturelle, dans hmm. la colonie, mushina na faransa na na faransa su ba da mm. wanda za a yi in ya dawo abun da section section lycée et collège mu da kanmu an <clears throat> par exemple mu section lycée collège na on a plus de 280 euh, écoles publiques et privées donc euh, muna iya cewa journée guda be iya bar mana mu yi donc souvent on prend une semaine ou bien on prend trois jours pour toute l'activité. Yanzu y kun une ma na sexual kula récemment activité on c'est la soirée des solidarités, la semaine des solidarités. OK. Eh qui a pour thème eh, post BPC bac. Quelle disposition pour les élèves et leurs parents Et ce n'est pas par hasard. Bah haka ne muka doke shi ba. Parce que eh, cikin vacances mu on participe au conseil d'orientation na BPC. Et mon Canada, il y yara un sun samu revek su ba su san wani irin dossier ne ya kamata a dan a yi orientate ɗinsu saboda shi ne muka ɗauki wannan tem muy yi conference cikin lokololi muy yi deba bisan radio da tele duka-duka Un joindre l'utile à l'agréable finalement. Donc, ouais, donc, donc ce n'est pas au hasard. ba haka ne muna zo wa dan mu samu music mu zo kaman boîte muke. a a ah, OK. An lokal ba su an lokal ba wani abu in ba dan su samu wani abu bane. Dan samu wani abu. Eh. To yanzu bari in dawo gare ku san sansor Tairu. Eh, c'est avec des tenues. Ces soirées là. Est-ce que ana Echa ça apporte quelque chose. Euh, parce que les... mais bien sûr, mais écoutez, la poésie, le théâtre et autres, là, c'est des choses qui nous renseignent en classe. Et il arrive même qu'il y ait des élèves fassent ce qu'on appelle une mise en scène théâtrale. Quand vous prenez par exemple un roman, par exemple, Tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire, c'est une œuvre de Aimé Césaire. Il arrive qu'avec des élèves qu'on arrive à reproduire quelques scènes de, ce, de, de cette pièce-là. Donc vous voyez que c'est la soirée culturelle sportive, en quelque sorte, conçu un prolongement de ce qu'ils font comme cours. Là où le bas blesse, même si nous arrivons à détecter des talents au niveau de ces, élèves-là, en fait, certains ne vont pas avoir le bac. Donc, à partir, ils ont leur talent, mais avec tout ça, souvent, quand on exclut de l'école, les talents, l'État le perd. Donc, il faudrait qu'on arrive à. culturel et puis académique on va arriver à cette Karakomanche. Lambam 80 06 88 à 54, c'est le numéro magique sur lequel vous pouvez nous envoyer vos réactions sur l'émission Tous à la Fada. Vos avis comptent sur Tous à la Fada. Alors Arakomam chacun à al fadre Tam Festive avec Bosti de Weley et Simple. Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. bang, bang, bang, hey. Hey yo, Idris. move, dusty. Uh-huh. I'm looking for a brother who got hella pounds. Oh, 079, baby, I'm a hammer, did you saw? Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the post G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Hey, yo, Sean. Hey. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get vomit. If I with it, maybe I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on and if you push that button, my girl down, but I can't tame it. Once you broke out, broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, London and mid on edges. Is it? Bossy bossy. I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part two, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top, oh Larry, man, a big DJ, Ox, Megan and Harry. Boss, yeah, man, a bossy. I make your girl melt like a toasty. I've been this way someday, and I write for myself, no ghosting. He's a boy, got money in a bank and Ready for roll and blaze up this tank and Got the girls from Jam 1 to Hong Kong. The girl, them champion. In it. Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. I'm bossy bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast. Retour à la fada ici en face du CS Kwarakano, le terrain du drift, terrain de rodeo pour certains. Muna da muna hiran activité culturelle kinsu da suke yi wa'annan matasan tsaka ane iro na an ce an yi composition wannan wasan da suke na shakatawa na gudu da rawa da waka hira shi muke nan gayi yanzu kuma an da mushan ya ga mana dazu ya ce wannan activité kin cikin su akwai ɗalibai da suke samu suna gwada abin da suka iya suna gwada talan kinsu Nous sommes à cette fada avec euh, Mohamed. Il est le AFCULT de la section lycée au collège euh, de la région de Niamey. Nous sommes également avec M. Kalilou. Il est professeur de français au ABM. Nous sommes avec euh, Mahamadou Awal. SG Akin Kwarakano. Nous sommes avec M. Tahirou. Il est le censeur du ABM. Venant à la dernière question de cette émission, émission. Le show de duka distraction qui wannan bai dai ne a taba kiɗi a taba karatu muhammadu na gare ka ba mu iya cewa yana destabilize eh, kuma ba mu iya cewa yana kun gane dai awal ga mu wai shi wannan shokin bai taba karatu ko ko da kadan ne ma a ah, shi wanga sho da kuka gan shi bai taba karatu ko kadan saboda yanzu mun doka cikin cikin shekara ga mun yi rantire mun zo nafi mu muke yi muna karatu to menene in mun hidda wuni guda wuni guda ta wuni guda zai taba mana karatu la dernière question de cette euh, émission, c'est de savoir ces activités-là, ça ne. n'empêche pas, ça ne dérange pas. Bon, vous savez, moi, ce que je vois dans cette. Euh, c'est-à-dire, les élèves eux-mêmes, n'ont pas d'objectivité, quoi. Sinon, les soirées culturelles et sportives, là, existaient depuis. Nous-mêmes, on avait eu affaire. Moi, j'ai joué dans l'équipe de football pendant toute, ma carrière scolaire. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché d'étudier. Moi, je pense que c'est des activités qui doivent suivre. Euh, c'est ce n'est pas une seule journée, ça doit être toute l'année. C'est les soirées qu'on utilise pour se préparer, pour faire les répétitions et autres. pour choisir une journée ou bien une nuit pour présenter ce qu'on a préparé pendant ce temps. Donc si c'était bien organisé de cette manière, nous autres, les, euh, les éducateurs, et les parents, nous allons les suivre parce qu'on sait que ce qu'ils font est objectif. Et vous voyez, c'est dedans que nous allons pouvoir ressortir les talents dont nous cherchons. C'est avec ça qu'on sort les talents. vous voyez, mais lorsque c'est une seule nuit ou bien une seule journée que les gens vont utiliser, moi je pense que c'est pas. Une semaine avant, on fait les. C'est pas ça du tout. On ne peut pas. Les entraînements. Les encourager dans ce sens-là. Nous allons penser que c'est juste euh, pour euh, des bêtises. Pour le show, comme on dit. Monsieur, un dernier mot sur euh, notre dernière question. C'est comme je l'ai dit, l'élève qui aimerait exceller dans, la culture, quand on lui offre l'opportunité de, monter ses talents sur la culture, forcément, comme il n'aime pas l'aspect éducatif, il va de soi qu'il euh, qu'il oublie l'éducation parce que c'est pas ça qui c'est pas ça, c'est pas ça son âme quoi il n'est pas destiné à réussir dans l'école dans l'éducation donc il faut que les gens comprennent que c'est pas tout le monde qui va réussir par l'éducation il y en a qui vont réussir par la culture il y en a qui vont réussir par la danse il y en a qui vont réussir par le par le pied par le sport donc euh, pour moi franchement ça n'entrave à rien l'éducation des, des élèves du moment où c'est une complémentarité on ne peut pas dissocier l'aspect éducatif et l'aspect culturel et sportif. pour moi, c'est un tout. Donc c'est juste une complémentarité par rapport à l'école. Donc euh, pour moi, la question est vraiment, la réponse elle est toute simple. Il n'y a pas d'entrave, mais complémentarité. Donc euh, il va falloir que dorénavant, <laughs> que vraiment nos, nos, politiques essaient vraiment d'aller au bout de, de, leur, analyse, essaient de créer vraiment des, collèges, en plus de l'enseignement technique qui sont en train d'être créés, aussi qu'on crée des collèges d'enseignement culturel et sportif. Je pense merci, que c'est ça, le fait, comme on dit, en termes fada. Euh, merci à nos invités, mais avant de se dire bye bye, on va accueillir Olivier. C'est le chroniqueur de la fada. On l'accueille comme il le faut. La FADA est tout le temps avec son chroniqueur. Parce qu'il n'y a que des hommes à la FADA aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ouais. Où sont les copines, la Laisse ça, tu as vu, non Mes copines m'ont lâché. Elles ne veulent pas venir. Elles me regardent de loin. Les copines ne sont pas à la FADA aujourd'hui. Ouais. Ravi, j'espère que tu vas bien. Ça va, Olivier. Ce soir, on va parler du rôle des parents dans l'éducation. Le rôle des parents dans l'éducation, c'est important. Et cela fait presque l'unanimité au niveau des pédagogues ou bref, les acteurs de l'éducation. D'ailleurs, l'État reconnaît l'association des parents d'élèves, une association qui fait parler d'elle souvent au moment des crises. Mais aujourd'hui, quand on analyse la situation académique au Niger, on se demande que faire réellement les parents pour la, la stabilité de l'écosystème. Le mercredi 4 mars 2020, certains responsables d'établissements scolaires du département de Gaïa, dans la région de Dosso, exprimaient leur mécontentement. Et selon ces derniers, de nombreux parents d'élèves ne suivent pas l'évolution scolaire de leurs enfants au niveau des établissements. Rabi, selon les proviseurs que je viens de citer, c'est d'ailleurs une situation qui génère les mauvais résultats scolaires des apprenants. On écoute ces euh, proviseurs au micro de Fadel Alou, le correspondant du studio Kalangou à Gaïa. À la maison, deux fois, les parents ne contrôlent pas ce que les enfants font. C'est uniquement quand les compositions sont terminées, quand on va commencer à remettre les bulletins, que les parents peut-être vont venir. Certains ne récupèrent même pas les bulletins. Et c'est après, quand l'enfant n'a pas travaillé, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à nous demander mais qu'est-ce qui s'est passé Alors que la scolarité de l'enfant doit être suivie eh, régulièrement. À la maison, chaque fois, il faut, faut observer d'abord, est-ce que cet enfant-là, il n'a pas de devoir Est-ce qu'il a fait ses devoirs qui lui sont euh, euh, demandés d'être fait à la maison Si ce n'est pas fait, il faut insister. Euh, ce qu'on fait à l'école-là, ce n'est pas largement suffisant. Là, on vient de les écouter. Bah, vous, ici présents, le censeur est là, Monsieur Taïou est là, bah, vous pouvez nous dire aujourd'hui, selon vous, quel pourrait être le rôle de nos parents dans l'éducation Bon, vous savez, euh, l'éducation, c'est devenu un complexe maintenant. C'est tellement difficile de laisser un élève, un enfant, évoluer tout seul. La première des choses, c'est le suivi de ces élèves-là. Et qu'est-ce qu'on doit suivre c'est ce qu'on a donné comme prérequis à la maison, comme les, principes de base de l'éducation. Ce qu'on appelle le plus souvent euh, le tarbiya. Donc lorsque l'élève, l'enfant à la maison n'a rien appris du respect de la société, ce n'est pas à l'école qu'il va l'apprendre. Ça, je pense que ça, c'est. Ça, en langage jeune, on appelle ça un punchline. Voilà. Donc, euh, le problème doit commencer dans les familles d'abord que le, les parents, la maman et le, papa aient un œil sur tous les comportements de leurs enfants, leur apporter des correctifs avant même d'aller dans la société, à l'école, où ils vont encore apprendre cette fois-ci à respecter les autres. Donc voilà un premier, euh, c'est le premier point. D'accord. Je pense que monsieur va avancer sur le second point. Selon vous, bah, que peuvent faire les parents pour que l'éducation soit encore beaucoup plus euh, serviable. Oh, ok, D'accord, merci pour la question. D'abord, il faut le dire, le système éducatif euh, est compartimenté. Chacun, c'est plusieurs acteurs qui interviennent. Parce que le système, les gens ont tendance à penser aujourd'hui que le, quand on parle du système éducatif, seulement les enseignants et les, élèves. Or, penser comme ça mais paraît une erreur monumentale. On ne peut pas parler du système éducatif, on ne peut pas parler de fiabilité du système éducatif lorsque les parents n'assument pas entièrement leurs responsabilités. Donc, outre l'école, les, parents sont mais les parents Mais, la formation ne se passe pas seulement à l'école. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. D'abord, la grande partie de, de, la formation de l'enfant ne se fait pas à l'école. Ça doit se faire à la maison. Et pour que l'enfant réussisse, il faut que les parents suivent cet enfant-là. Et quand vous faites le constat, les enfants qui sont suivis à la maison, et ceux qui ne sont pas suivis à la maison, à l'école, les, résultats ne sont pas comparables. Ça, c'est un enseignant qui vient de parler. Je pense qu'il mérite des applaudissements, s'il vous plaît. En conclusion, on va parler de la peur demain, dans l'émission qui va suivre demain. Avec toi, bien sûr, mon ami. En conclusion, je veux conclure. Bah, tu veux ajouter quelque chose, je te donne la parole. Effectivement, vous avez parlé oui. dans votre introduction de l'association des parents d'élèves. Oui. Et merci beaucoup parce que euh, nous avons l'habitude de rencontrer l'association des parents d'élèves, mais euh, pas, les, ça dire pas le bureau au complet souvent c'est le président, souvent c'est les trésoriers. C'est-à-dire, ils ne sont jamais au complet. C'est pour vous dire. Et ils ne jouent jamais leur rôle en tant que parents. Clairement, je vais vous dire, ce sont nos parents, hein. ce sont nos parents. Nous partons en négociation au moment où nous revendiquons, au moment où nous posons, nous exposons nos problèmes à l'État. Ces parents, c'est-à-dire, ils se rangent aux côtés de l'État pour pousser l'État à nous arrêter. Et je pense que, ils, sont, ils comme Monsieur l'avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est les suivis. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple des écoles publiques et, l'exemple des écoles privées, là où il y a la défaillance, c'est parce que les écoles publiques, les écoles privées, ils sont bien organisées. Aujourd'hui, si tu es un élève dans une école privée, tu ne peux pas faire trois jours. Tu chantes trois jours, l'administration est déjà au courant. Ton parent, il est déjà au, il est déjà au courant. Mais si vous venez au niveau des écoles publiques, au niveau du CS Cano, moi je peux même donner ma tête à couper. Il y a des élèves qui vont faire un mois, deux mois sans venir à l'école. Dans un premier temps, les administrations ne les interpelle pas, les professeurs ne les interpellent pas, excusez-moi monsieur, les parents non plus ne viennent pas euh, demander des renseignements. Pourquoi mon enfant n'a pas de bulletin Pourquoi mon enfant n'a pas fait ceci, cela Moi, je pense que aujourd'hui nos parents sont en train, c'est-à-dire, dans un premier temps, nous laisser dans les mains des professeurs, eux aussi, on n'a que 5 heures de temps. Mais ça fait l'unanimité qu'ils ont un rôle à jouer. Eh, je veux vous dire une chose. Dis-moi seulement. On n'a pas d'association. des parents dis seulement une seule chose. Nos, parents, c'est nos professeurs. D'accord, merci. merci. En conclusion, en conclusion, ce qu'il faut noter, c'est que les parents sont les premiers. Et d'ailleurs. Un coup de gueule, un coup de gueule hein, du SG. Ah ouais, ah ouais, on te a vu sur les coups de gueule. En conclusion, ce qu'il faut noter, c'est que les parents sont les premiers et d'ailleurs les plus importants éducateurs de l'enfant. Non seulement parce que c'est un rôle qu'il assume dès sa naissance, mais surtout parce que la responsabilité de l'éducation des jeunes leur revient. Bye bye. Merci. Merci Olivier, merci pour ta chronique. Mais t'en as un sur le cœur que t'as Effectivement, j'en ai beaucoup. Hein. <laughs> Hein. c'est la fin de tout ça la fada en Hausa, la fada du samedi. Yau mun yi hira tare da 'yan makaranta da mu shi su fuskan da abin da suke shirye-shiryen su da suke yi wani na waka wani na rawa wani na, gudu duk wani harkar sport da suke yi in an zo an kare composition ta hwari da nan shakata suka ce kamar an da mu shi suka kwatanta mana da su wa'annan ɗaliban su dai wannan activity kin da suke yi dai abin kirki ne ko da yake harkan ciki ko ma ba su kan harkan karatunsu yana kawo musu su ci gaba tunda mutane suna samu suna gwada abubuwan da suka iya kowa na gwada shi gwani ne cikin kaza eh, kuma in aka gwada wannan ta abin kirki ne in ji mushi kanan nasu gobe sai kun kara haduwa da abokin aiki na don da shi kuma zai hira musu kan irin comportement kin da wa'annan matasan suke yi in suna wa'annan suware kin nasu comportement kin kirki da wanda ba na kirki ba gobe sai kun ji shi tare da abokin aiki na don sai mun kara haduwa bisa kan tusa alafa da kada kuma ce 06 88 54 le numero sur lequel vous pouvez réagir sous nos émissions, tous à la FADA. Au revoir tout le monde, bye bye